forum district the forum district kalam the forum district kalam district kalam the forum district kalam kalam district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district 15 minutes dans le studio Kalangou. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Au micro, de Adamo Sifo. Et merci de suivre nos programmes à travers nos 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel les personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Le forum de ce soir porte sur la méningite, euh, connaître la maladie et la situation au Niger. Dans un premier temps, nous allons tenter de vous édifier sur les généralités de la meningite, à savoir ses causes, ses symptômes, conséquences et traitements. Ensuite, faire un point sur la situation actuelle de cette maladie au Niger. Enfin, nous allons voir le dispositif qui doit être mis en place pour faire face à la méningite. Pour parler donc de tout cela, nous avons dans ce studio docteur Hanki Yahaya. Il est infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir docteur. Bonsoir Nafis. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Docteur, merci une fois de plus euh, d'être venu. La méningite, elle est une maladie qui s'est vue au Niger. Mais qu'est-ce que euh, réellement la méningite, euh, docteur Hanki Vous êtes infectiologue. Présentez-nous la méningite et sous combien de formes se présente-t-elle Merci Nafissa. Pour parler de ce qu'est la méningite, je pense qu'on doit d'abord dire ce qu'est les méninges. En fait, les méninges, c'est deux membranes, deux membranes fines qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Entre ces deux membranes, il y a un liquide qui baigne le cerveau et cette moelle épinière. Et c'est quand un microbe ou bien un corps étranger attaque cette, euh, ces membranes-là qu'on parle de méningite. donc méningite, ça peut être d'origine infectieuse, donc dû à des microbes ou bien dû à euh, des cellules cancéreuses ou n'importe quoi. De hmm. toutes les façons, ceux qui nous regardent ici, c'est surtout les méningites infectieuses, donc dues à des microbes. Dans ce groupe aussi, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites. Et encore plus particulièrement, la méningite, telle que les gens le disent, c'est le groupe des bactéries. Dans ce groupe-là, n'importe quelle bactérie, peut donner une méningite. Mais c'est surtout le méningite à méningocoque qu'on appelle Neisseria meningitidis qui donne cette méningite-là qu'on appelle la méningite cérébrospinale. Hmm. C'est dû essentiellement à une source de bactéries qu'on appelle Neisseria meningitidis. Et même dans ce groupe de méningites-là, il y a plusieurs sérogroupes. En fait, les méningites à méningocoque, il y en a plusieurs. Jusqu'à 12 sérotypes. Mais c'est surtout les méningites à méningocoque A, B, C, Y, et W qui sont les causes des méningite qu'on connaît dans le monde. Oui, les types de méningite que le Niger même enregistre euh, depuis un certain temps, c'est ça Dans tout le monde. Mhm. Mais au Niger, avant, jusque dans les années 2010, c'est surtout euh, les méningites à méningocoque A qui prédominent ici. Les épidémies, c'est essentiellement les méningites à méningocoque. Mais depuis 2010, il y a une campagne de vaccination qui a permis d'éradiquer cette forme-là. Depuis 2010, il n'y a plus de méningite à méningocoque A. Depuis 2010 à maintenant, c'est surtout la méningite à méningocoque C qui prédomine. Mais de temps en temps, on a les méningites à méningocoque W. Et aussi, quelques rares cas de méningite X, à X méningocoque X. Mais essentiellement, c'est le méningocoque C. Quelle est, la, forme la plus dangereuse de ce type de méningite C'est méningocoque A, C, tout ça. Quelle est la forme la plus dangereuse Parler de forme la plus dangereuse, c'est difficile à dire, mais ce qui est les caractéristiques, ce qui les différencie, c'est que il y a ceux qui sont beaucoup plus épidémiques. Donc la contamination est plus rapide que les hmm. autres. Avant, c'est essentiellement A, comme je le disais. Mais comme on a pu juguler le A, et la nature a horreur du vide, le C a pris la place du A. Maintenant, c'est le C qui est devenu plus et qui attaque beaucoup de personnes. Et un peu le W. Mais si on parle de mortalité ou bien possibilité de tuer n'importe lequel de ces méningites la peut tuer. Avant de poursuivre euh, ce forum, docteur, je vous propose d'écouter euh, ce point de presse animé par le ministre de la Santé publique, docteur Iliassou mais le 16 avril dernier. Et il a présenté la situation de l'épidémie de cette méningite à la date du 29 mars 2017. Selon lui, des cas sporadiques de méningite sont enregistrés dans certaines régions du Niger. On l'écoute. Quatre districts sanitaires ont atteint le seuil d'alerte, c'est-à-dire 3 cas pour 100 000 habitants. Il s'agit des districts sanitaires de Madarunfa, de Agui, Keta et Zender Commune. En outre, certains centres de santé intégrés pris isolement ont franchi le seuil épidémique et les germes identifiés par le laboratoire sont le meningocoque C, X et le pneumocoque. Le germe responsable identifié est principalement le meningocoque C, nécessitant une réponse vaccinale au vaccin AC disponible dans nos stocks tampons. Tous les malades sont traités gratuitement dans les centres de santé. Une campagne de vaccination est organisée dans les aires de santé en épidémie pour stopper la propagation de la maladie. Cette vaccination concerne les personnes âgées de 2 à 29 ans. Des stocks de médicaments de prise en charge sont disponibles au niveau de toutes les formations sanitaires du pays. Actuellement, nous disposons de 104 740 doses de vaccins anti méningococcique en stock à l'UNPPC. Docteur Hanki, vous venez d'entendre le ministre de la Santé publique, euh, Docteur Ilyas Soumenassara, sur la situation de l'épidémie de la méningite. À la date du 29 mars 2017, euh, il a indiqué que quatre districts sanitaires ont atteint le seuil d'alerte. Quand est-ce qu'on parle de seuil d'alerte, docteur Pour parler de seuil d'alerte euh, de c'est une définition internationale donnée par l'OMS ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas moi qui mhm. donne ça. En fait, c'est une définition donnée par l'Organisation mondiale de, la santé, l'OMS, mhm. qui dit, d'abord pour parler de seuil d'alerte, il divise la population en deux groupes, ceux qui sont supérieurs à 30 000 habitants et ceux qui sont inférieurs à 30 000 habitants, supérieurs ou égal à 30 000 et inférieurs à 30 000. Maintenant, quand on prend un groupe euh, population. Par exemple, je dis maintenant district Niamey 1. On va voir est-ce que la population du district Niamey est supérieure ou égale à 30 000 habitants ou bien inférieure à 30 000 habitants. Donc, dans une population où la population est supérieure à 30 000 habitants, chaque fois qu'on a 3 cas sur 100 000 habitants, on parle de serre d'alerte. Et dans les populations inférieures à 30 000 habitants, c'est 2 cas en une semaine. Hmm. Dès qu'on a 2 cas de ménésite dans une semaine, on parle d'alerte. D'alerte. Voilà. Et l'épidémie maintenant, on parle de seuil d'épidémie quand, chez les populations de plus de 30 000 habitants, on a 10 cas pour 100 000 habitants. Et dans les populations qui ont moins de 30 000 habitants, c'est chaque fois qu'on a 5 cas en une semaine. On mm. parle d'épidémie. Selon vous, euh, qu'est-ce qui explique euh, que ce, soit ces régions-là qui soient euh, en seuil d'alerte à la date d'aujourd'hui c'est difficile de dire pourquoi c'est cela, mais on sait, oh, ces régions, ces districts, mais on sait que la méningite à méningocoque intéresse surtout un certain nombre de pays, essentiellement en Afrique qu'on appelle la ceinture de la méningite. Mm. Et le Niger est vraiment au bon milieu de cette ceinture-là. Mm. Cette ceinture-là couvre environ 26 pays, qui va du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie, à l'est. Hmm. Donc tous les pays qui sont dans cette zone-là peuvent faire la, la, la Donc c'est pas étonnant qu'il y ait ça au Niger et dans des lieux. Mais pour dire que pourquoi il y a ça à Madronfa ou bien à tel endroit, ça je saurais hmm. l'expliquer. Et ce qui est sûr, à la date du 22 avril, actuellement là, ce n'est plus ces régions-là. Hmm. On a essentiellement deux districts. Un qui est en épidémie, c'est Keita, à partir du 22 avril. 22 avril, oui. Voilà. Keita est en épidémie et Agué en alerte. En alerte. Voilà. Mais au total, au Niger, de, si, si tu veux, de, du 1er janvier mhm. au 22 avril, il y a eu 800. 2018. 2018. Oui. Du 1er janvier 2018 au 22 avril 2018, il y a eu 856 cas de méningite au Niger. Dans tout le Niger. Dans tout le Niger, dont 61 décès. Si tu veux, je peux te les donner par région. par exemple, à Agadez, il y a eu 4 cas, mm 0 décès. Difa, il y a eu 12 cas, un décès. Dosso, il y a eu 86 cas, un décès. Maradi, 247 cas, 19 décès. Niamey, 112 cas, 9 décès. Tawa, 286 cas, 21 décès. Tilabiri 39 cas, 2 décès et Zender 110 cas, 8 décès. Et quelle est la région la plus touchée Si on prend simplement comme ça la région, c'est difficile de le dire parce que mhm. je vous ai parlé des, locales, <laughs> des districts en fonction de la population. Si mhm. on voit juste le chiffre comme ça, c'est Tawa qui a 286. Mhm. Mais même dans Tawa, c'est et Keta eh, qui est en épidémie. Ah, de la région de Niamey, euh, on peut dire que la situation elle est sous, contrôle, pas d'alerte. Il n'y a aucun district de Niamey qui a atteint le seuil d'alerte. Au total, je vous ai dit, du 1er janvier au 22 avril, Niamey a notifié 72 cas, tout Niamey là. Niamey a plus de d'un million de populations. Euh, que pour parler d'épidémie, c'est une population de 30 000 habitants, il faut qu'il y ait 10 cas. Niamey n'est pas en alerte, Niamey n'est pas en épidémie pour le moment. Hmm. J'espère que ça va rester comme ça. Mais s'il y a déjà des cas qui sont apparus, les gens doivent augmenter de vigilance, déclarer tous les cas et surtout prendre en charge tous les cas. Mais selon vous, euh, qu'est-ce qui explique que Niamey, euh, jusque-là, Dieu merci, n'a pas atteint ce seuil d'alerte comme les années précédentes Ce qui peut l'expliquer, peut-être, quand vous prenez l'épidémie de 2015, 2016, Niamey fait partie des régions où ça a touché le plus, surtout les districts Niamey 1, hein, Kwarteyi, Lazare, la ceinture qui va jusqu'à Wadata et Harobanda. Vraiment, ça a été le cas. Et mm-hmm. Niamey a été vacciné à l'âge. 2015, mm-hmm. 2016. En tout cas, c'est rare d'avoir quelqu'un de Niamey, des gens en tout cas de 0 30 ans, les élèves, les scolaires qui n'ont pas été vaccinés. Peut-être ce sont ces vaccinations qui continuent à nous protéger encore. Mm-hmm. Et que maintenant, les régions où cette épidémie apparaît, c'est des gens qui n'ont pas fait d'épidémie en 2016-2015, donc qui n'ont pas été vaccinés, qui font leur, leur épidémie maintenant. Ces dernières années, si on prend par exemple de 94 à 95, il y a eu une grosse épidémie, 1994-1995. Il y a eu 43 000 cas, 43 203 cas, dont 3 800 décès. Et il a fallu 2015 qu'il y ait une nouvelle grosse épidémie qui a fait 8500 cas, dont 373 décès. Hmm. En 2016, il y a eu 540 cas, 303 décès. Et en 2010, il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu d'épidémie en tant que telle en 2017. Hmm. Il y a eu hmm. des cas. C'est ça, je l'ai dit juste pour rappeler un fait. Avant, les cycles, les épidémies surviennent relativement les 10 ans, chaque 10 ans. De 95 à 2015. Et avant même, c'était comme ça. Mais depuis 2015, chaque année, il y a une il y a des épidémies ou bien au moins des cas importants, hmm. des, cas de ménagers qui surviennent. 2015, 2016, 2017 et cette année 2018, il y a eu déjà une, épidémie. Donc chaque année maintenant, il y a des épidémies. Il y a une explication à cela je sais pas, les gens ont tendance à condamner les changements climatiques, à mm. condamner les niveaux de vie des populations qui sont de plus en plus faibles et la couverture vaccinale qui n'est pas totalement. le ministre l'a indiqué, euh, le germe responsable de cette méningite est le Minangoko cassé. Euh, dites-nous comment, comment reconnaît-on le germe responsable d'une méningite Bien qu'on le sait, ce sont les centres de recherche médicale et sanitaire qui sont le plus euh, indiqués à répondre. Comment reconnaît-on le germe Merci. Quand on suspecte la, euh, la méningite, c'est quelqu'un en fait, à partir de certainement qu'on va revenir sur les signes cliniques. À partir de ces signes cliniques-là, les médecins ou bien les agents de santé font ce qu'on appelle une ponction lombaire. On enlève le liquide là que j'avais dit qui est entre les deux membranes. Hmm. On enlève ce liquide là à, partir d'une ponction au niveau dans le dos. Hmm. On enlève le liquide et qu'on envoie au labo. C'est le labo qui va dire qu'il s'agit d'une méningite, oui. Mais pour dire c'est quelle espèce en réalité, c'est vraiment deux laboratoires au mm-hmm. Le laboratoire de l'hôpital national du Niamey, mais surtout le CERMES, qui va nous dire voilà les germes que vous avez. Et ça, c'est des techniques de laboratoire, je ne peux pas vous dire comment on va, mm-hmm. dire, on va faire pour identifier. Mais ce qui est sûr, depuis ces quelques temps, effectivement, c'est surtout le C qui a été isolé. Mm-hmm. Par exemple, à Gué, les cas qui ont été prélevés sur le C, Bouza, les cas qui ont été prélevés, euh, euh, sur le C, Keita sur le C, Matame sur le C. C'est surtout à Zender Birni qu'on a eu le X. Hmm. Donc, d'une façon générale, euh, c'est le C qui prédomine. Oui. Comme vous l'avez expliqué depuis 2010, c'est le C qui, prédomine. Et donc, ce, ce, ce méningocoque, cette forme-là est-elle contagieuse, tellement dangereuse Oui, elle est vraiment contagieuse. Comme tous les méningites à méningocoque Méningocoque, euh, disons pas, c'est seulement le méningocoque. C'est pourquoi on dit même c'est la méningite qui fait des épidémies. Épidémie, ça veut dire que les gens se contaminent entre eux. Il y a, des, des, bactéries qui, si je fais ma, méningite, ça reste à moi, je ne vais pas te contaminer, je pas... Ça, c'est pas contagieux, c'est pas, ça ne fait pas des épidémies. Hmm. Mais le méningocoque, tous les méningocoques sont contagieux, ça donne des épidémies et surtout le C. Et surtout le Exactement. Ça et la contagion, elle se fait euh, rapidement Oui, elle se fait rapidement si les conditions sont réunies. Et comment se fait donc la contagion D'abord, pour parler de cette contagion, c'est vaut mieux parler, et disons, on doit commencer par parler de la période surtout propice pour, pour qu'il y ait ces épidémies de méningite. Mm. Si vous avez remarqué, c'est toujours pendant les périodes chaudes et secs où il y a la poussière qui a cette méningite-là. Mm. Pourquoi Parce que de façon naturelle, ces germes-là se trouvent chez les hommes. Il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, qui l'ont dans leur euh, sphère orale, dans le nez, dans le dans l'oropharynx. Il y a mhm. ça qu'on les appelle des porteurs sains. les hommes. Mais à l'occasion de certaines situations climatiques, cette chaleur-là qui est une chaleur sec, il n'y a pas de l'humidité dedans et il y a de la poussière. Ça fait que cette muqueuse-là du nez et de la bouche se, se mhm. Quand ça se déchèche, ça fait des fissures. Et quand il y a ces fissures-là, ça donne des portes d'entrée. Mhm. Ce qui permet à ce germe-là qui se trouve normalement dans la muqueuse de pénétrer et d'aller donc attaquer les méninges. Donc, ce qui fait que celui qui fait sa méningite, en respirant, en parlant, en ça, en éternuant, il va éjecter des, sécrétions respiratoires. Mm. Ces sécrétions-là vont être dans l'atmosphère. Les gens qui sont à côté de lui vont respirer ces choses et aussi donc par le même processus vont se contaminer. Et même ceux qui sont plus proches des malades, ce n'est même pas uniquement cette fois-ci les gouttelettes qui sont euh, dans l'air, même sur l'organisme. Donc celui qui s'occupe d'un malade, il peut se contaminer à, travers la main, à travers les habits, à travers des malades. Et c'est essentiellement la respiration des gouttelettes respiratoires d'un malade qui a la méningite qui permet à l'autre de se contaminer. Et si on comprend bien, comme vous le dites, c'est pendant cette période de chaleur que se propage l'épidémie. Mhm. Et donc, quels sont les symptômes de cette forme de méningite, docteur, de comme je l'ai dit tout euh, derrière, quand j'ai expliqué, j'ai donné une définition. Quels que soient les germes, les symptômes sont les mêmes. Les symptômes sont les mêmes. C'est toujours la fièvre. Là, vraiment, il y a la fièvre. Forte fièvre. Et après, les autres symptômes, on doit les séparer entre les grands, les grands enfants, adolescents et adultes, et mhm. les petits enfants, les nourrissons. Mhm. Quand on prend les grands enfants, adolescents et adulte, c'est essentiellement une raideur de la nuque. La nuque qui devient dure, la personne ne peut pas fléchir ou soulever la tête. Oui, elle ne peut pas, tourner faire mouvement. De haut en bas. C'est fléchir la tête ou bien extension de la tête. C'est mhm. ce que la personne ne peut pas faire. Ça, c'est très important. Et il y a aussi des céphalées, des maux de tête très terribles. Et c'est des gens qui ont des problèmes de... Et ils ne peuvent pas regarder la lumière. La lumière, là, ça les dérange beaucoup. Et pour beaucoup, ça se termine par des vomissements aussi. Donc, fièvre, raideur de la nuque, vomissement, céphalée, et trouble photophobie, problème de support de, pour accepter la lumière, également mm. égale méningite. Mm. Quand on a ces signes-là, chez les grands enfants, l'adolescent et l'adulte, on doit faire la ponction lombaire. Mm. Maintenant, pour les petits garçons et les nourrissons, les petits enfants, c'est totalement différent. Au lieu que la, la tête, la nuque, la soit dure, au contraire, l'enfant ne peut pas garder, euh, tenir sa tête. Mm. La tête tombe. C'est trop molle. Ce qu'on appelle. Elle est plus stable. Oui. Pas stable. Il ne peut pas garder sa tête. La tête n'est pas. Euh, le, le cou n'est pas raide. Ce qu'on appelle nuque molle. Donc, un enfant qui, auparavant, il a sa tête, il, marche ou bien il s'assoit, qui subitement il ne peut plus tenir sa tête, la tête tombe ou bien elle tombe. Ou bien, il y a ce qu'on appelle la fontanelle, le, ici que la mamans, quand les, ça s'enfonce, on dit la tête de la, mm, la tête mm-hmm. là. Donc cette fontanelle-là, quand l'enfant a la méningite, ça se gonfle. Mm. Un bon mois de la fontanelle, ça se bombe. Un enfant qui a ça, qui a une nuque molle, qui a une fontanelle bombée et qui refuse de téter, égale méningite jusqu'à mm. preuve du contraire, plus la fièvre. Et lui aussi, c'est lui aussi, on fait la fonction lombaire. Ce méningocoque, il est mortel. Quels sont les risques Les risques, euh, ce qui est sûr, c'est une maladie mortelle, très mortelle. En cas de traitement, la mortalité peut aller de 10% jusqu'à plus. Généralement, quand on traite, quand la personne n'est pas traitée, elle meurt. Hein. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle des survivants, des gens qui, guérissent de leur maladie. Là, il y a ce qu'on appelle les séquelles. mais, au bout de combien de temps euh, un patient atteint de cette maladie peut succomber C'est difficile de dire au bout de combien de temps quelqu'un peut mourir d'une méningite. Mais en fonction de certains tableaux, les petits enfants qui ne sont pas très qui ont une immunité qui n'est pas très importante peuvent mourir très tôt, plus vite qu'un adulte qui est assez solide. Mm. Donc dire que quelqu'un, parce que tu as la méningite, en deux, en une heure de temps ou bien en deux jours, tu peux mourir, les gens le disent seulement. C'est mm. extrêmement difficile de dire, voilà, le temps que chaque quelqu'un peut faire avec. Mais en fonction de, euh, ta clinique ou bien de, ton organisme même, que l'organisme est faible, qu'il y a une maladie en bas, qu'il y a une mm. malnutrition, qu'il y a euh, quelque quelques on peut mourir plutôt que certains. Mm-hmm. Mais il n'y a pas un délai pour dire qu'on peut mourir de, de, ça en une heure de temps, en deux heures, en une journée. Non. On le sait, la chaleur est un des facteurs qui contribue au développement d'une épidémie de méningite. À part cette chaleur, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent au développement de la méningite C'est cette chaleur, mais surtout cette chaleur C'est Une chaleur Il n'y a pas d'humidité dedans. Ça facilite donc la sécheresse de la muqueuse Il y a aussi les poussières, les vents poussiéreux qui se lèvent, qui, qui vont donc euh, irriter la muqueuse oropharyngée toujours. Mm. C'est tout facteur qui peut faire qu'il y ait des, des, lésions au niveau des muqueuses nasales et oropharyngées, là où l'air passe. donc, euh, le plus important, c'est vraiment cette chaleur sèche qui est le facteur le plus important pour la survenue des épidémies de méningite à Et plus haut dans son intervention, euh, le ministre le docteur Ilias Menesara, a notifié que pour cette forme de méningite, une riposte vaccinale au vaccin AC est nécessaire. C'est-à-dire que c'est ce vaccin-là qui, doit prévenir ou, je ne sais pas, guérir cette forme de méningite. Merci. En fait, euh, il parle de vaccin AC mhm. parce que c'est ce qu'on a. Mais quand, quand on fait le AC, on sait très bien que ce n'est pas le A qui est en cause, mais c'est parce qu'on a cette combinaison de vaccins qu'on appelle le vaccin bivalent qui mm. a donc les pour le A et pour le C qui est combiné. Mm. Mais en fait, c'est le C qu'on cherche à couvrir. Mm. Le A, comme je l'ai dit, ça fait plus de, depuis 2010, on n'a eu aucun cas de méningite à méningocoque A. C'est le AC qu'on a. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est le seul type de vaccin qu'on a et qui sont disponibles. D'ailleurs, même la vaccination, on ne peut le commencer, on peut commencer la vaccination que quand on connaît le germe. C'est quand on connaît le germe qui est en cause. C'est en ce moment que le, pays fait appel aux organisations internationales, à l'OMS et Gavi, qui sont les garants de la vaccination dans le monde. Vous dites, chez nous, on a eu tel, tel, tel type de, de, germes et eux aussi, ils préparent la vaccination. Donc, mm. au Niger, comme c'est l'essai qui prédomine, et c'est surtout l'essai qu'on a, c'est pour cette raison qu'on a donc euh, commandé ce type de vaccin bivalent AC. Et cette riposte vaccinale, de quoi il s'agit euh, normalement, quand un district est en épidémie, dans certains pays, ils commencent déjà quand ils sont vraiment en alerte, mais c'est surtout les districts en épidémie. Et les districts voisins des districts en épidémie, la, la riposte consiste à aller vacciner tout autour des foyers épidémiques. Voilà, pour permettre à ceux qui ne sont pas malades de ne pas tomber malades. Mhm. Donc, là où l'épidémie commence, on cherche à circonscrire cette épidémie-là. Par la vaccination, donc, vacciner ceux qui ne sont pas encore atteints pour qu'ils ne puissent pas faire la maladie. Et il a parlé du traitement qui est gratuit, qui est disponible, mhm. et on traite les cas. Mhm. On traite les cas avec le, les médicaments qui est disponible là aussi et qui est très efficace pour vraiment guérir cette méningite. Mm. Et on fait la vaccination pour ceux qui ne sont pas malades, pour qu'ils ne mm. tombent pas malades. Une personne vaccinée, euh, on le dit souvent, euh, la validité, elle est soit d'un an, de deux ans. Mais quelle est la durée exacte de la validité du vaccin de, la, de cette méningite chez, chez une personne Très bien. Les, les vaccins, en fait, en fonction de quoi on a euh, fabriqué les vaccins et qu'est-ce qui est contenu dedans en dehors du, des antigènes pour la, on a deux groupes de vaccins. Mhm. On a ce qu'on appelle les vaccins polylyophilisés, qui sont les plus couramment utilisés chez nous. Parmi ce groupe-là, on a donc euh, les bivalents AC, mhm. on a les trivalent A C et Y. On a le tétravalent et A, C, Y, W. Ces vaccins-là, quand on les fait à quelqu'un, il y a une couverture de 3 ans. ils protègent 3 ans. Trois ans. Donc, ceux qui, sont, sont, ceux qui ont été vaccinés l'année dernière, ils, sont protégés pour trois ans. Tant qu'ils ont été vaccinés avec le C et mhm. que cette année c'est le C qui est en cours, ils n'ont pas besoin d'être vaccinés. Mhm. Je vous ai parlé de deux groupes. Il y a ceux qu'on appelle les vaccins combinés, euh, conjugués. Ces vaccins-là, on a des, mono, euh, des vaccins monovalents, le A. C'est ce qui a été fait en 2010 qui a permis de faire une bonne couverture. Le minimum, le temps minimum de couverture, c'est au moins 5 ans et plus. Les gens parlent même de 10 ans. Ça protège pendant 5 ans et plus. Mm-hmm, mm-hmm. Et ce, ce vaccin est conjugué, ça aussi, on a plusieurs formes. On a les, les monovalents A. Ailleurs, il y a les monovalents C. On n'a pas ça encore au Niger. Mais ce qui est sûr, il y a les tétravalents A, C, Y, W, S, Mm Ce forme de, cette forme de vaccin, ça, ça protège pendant au moins 5 ans. Mm. Mais généralement, ce qu'on fait au Niger, c'est les vaccins lyophilisés, polylysodiques, qui qui protège pendant 3 ans. ans. Et toujours selon euh, le ministre, euh, la vaccination concernera contre cette forme de méningite euh, de méningocoque mhm. concernera les personnes âgées de 2 à 29 ans. Est-ce à dire que c'est la seule tranche d'âge à risque Merci. en fait, n'importe qui, n'importe quelle personne peut faire une méningite à méningocoque. Tout le monde peut le faire. Mais avec le temps, avec euh, l'expérience, avec un peu de recul, on a constaté que la couche, les couches les plus fragiles qui font le plus de cas de méningite à méningocoque, c'est les plus de 6 mois jusqu'aux 29-30 ans. C'est dans cette tranche d'âge que les cas sont les plus importants. Mm-hmm. Donc si on doit avoir une certaine euh, euh, action de santé publique, quand on ne peut pas couvrir tout le monde, on, fait, on donne la priorité à la couche qui est la plus vulnérable. Donc mm-hmm. les 6, les plus de 6 mois à 29, 30 ans. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui se passe Il commence, le ministre commence à partir de 2 ans. En fait, c'est pas que les moins de 2 ans ne sont pas Mais eux, euh, en fait, cette forme de vaccin polyurgique là n'entraîne pas une immunisation chez les enfants de moins de deux ans. Mhm. Leur système ne permet pas de fabriquer les anticorps. Quand on utilise ce vaccin-là, chez les moins de deux ans, ça n'assert sert pas à grand-chose. Mhm. Ce qui fait qu'on commence à partir de ceux qui ont deux ans. Mhm. Mais le vaccin conjugué, ça, on peut le faire à ceux qui ont euh, six mois et plus. Mm. Mais le vaccin qu'on a au Niger, l'efficacité s'est démontrée à partir de deux ans. Mm. C'est pourquoi on vaccine les enfants de deux ans jusqu'à 29-30 ans. Et au cas où une personne est déjà atteinte de, la méningite, comment se fait le traitement Comment se fait le traitement Comme euh, je vous ai dit, c'est une maladie en fait qui répond très bien au traitement. Le traitement est simple, c'est bien codifié et ça marche très bien. Le seul problème, c'est que les gens ne pensent pas très vite à la méningite ou bien on traîne, on traite autre chose, par lui autre, et entre-temps, la méningite fait des dégâts. Mais si on reconnaît que c'est la méningite, il y a un antibiotique qu'on appelle ceftriaxone. Dieu merci, Dieu, euh, le, le, pays a disponibilisé ça dans tous les districts au Niger, même ceux qui ne sont pas épidémiques. Et ce vaccin-là, tout celui qui a la, eh, ce traitement, tout celui qui a la méningite, ce traitement est gratuit, le ministre l'a dit. Et ce traitement est très efficace. Cette réaction, il y en a, on fait ça 1 à 2 grammes par jour par malade pendant 5 à 7 jours. Mhm. Et le traitement est mhm. Si vraiment la personne vient très tôt, il a toutes les chances de s'en sortir parce que le traitement marche très bien. La durée, si on peut le dire, entre 5 et 7 jours du, traitement. de cette tri. Mhm. L'OMS euh, euh, a même dit en cas de forte épidémie, quand il y a beaucoup de malades, une seule dose suffit. On fait une dose, mais on, garde l'enfant pour contrôler, pour savoir si ça, il va réussir ou pas. Même une dose peut conserver. Docteur, vous l'avez dit, la méningite est une maladie qui peut bien être guérie. Et donc, euh, on le voit, certains patients portent des séquelles après guérison. Comment donc se présentent ces séquelles Effectivement, ce qu'on appelle les survivants, donc les gens qui ont fait la méningite, qui ont guéri, donc les survivants là, il y a des statistiques qui ont montré qu'environ, euh, disons, 10 à 20% des gens qui font la méningite qui guérissent vont présenter des, des séquelles après cette méningite-là. Et les séquelles les plus fréquemment qu'on rencontre, qu'on rencontre les plus fréquemment, c'est les baisses de l'audition, donc jusqu'à la surdité, les atteintes auditives. Vraiment, beaucoup de gens, après la méningite, ils deviennent sourds ou bien mhm. n'entendent pas beaucoup bien. On peut avoir des, troubles de la vision. Ça aussi, on en a. Mais pas seulement ça, des troubles du comportement jusqu'à la démence. Mhm. Des petits enfants qui on a, qui présentent des signes des vieilles personnes qui ont la démence, qui ne savent plus qui ils sont, où ils vont, quand ils sortent, ils se perdent. Mais les, séquelles les plus importantes, comme je l'ai dit, vraiment, c'est les séquelles auditives. Hmm. Ces séquelles, euh, y a-t-il espoir qu'elles disparaissent euh, un jour ou pas Et Ça aussi, vraiment, la, la, la, médecine, ah, la médecine a évolué. C'est beaucoup plus prévenir ces séquelles-là. On a remarqué que quelqu'un qui a la méningite, dans les 24-48 heures premières on s'est rendu compte que la méningite, la méningocoque. Il y a un autre traitement qu'on associe pour diminuer ces séquelles-là à mm. base de corticoïdes. Mm. On fait ça, on fait ça à nos malades. Hein. Dès qu'ils viennent, pendant deux jours, on leur fait cette corticoïde. Ils ont toutes les chances de ne pas faire ces séquelles-là. Et s'ils le font, c'est des formes mineures qu'ils mm. font des séquelles. Et avec le temps, qui peuvent disparaître. Mais ça peut aussi ne pas disparaître quand ça se revient. Mm. Les gens deviennent sourds une fois pour toutes quand ils font leur ménage. Hanchi, euh, il y a au moins quatre districts sanitaires qui ont atteint le seuil d'alerte et d'autres qui ont franchi le seuil épidémique de la méningite selon le ministre de la Santé publique. Euh, comment éviter toutes les deux situations, qu'il s'agisse euh, du seuil épidémique ou d'alerte Comment éviter toutes ces deux situations Merci. En fait, le, le ministre a parlé des seuils depuis le 16 mars, non Oui, depuis le 16 mars. Je vous ai dit à la date du 22 avril. Mm. Au Niger, il y a un district en alerte qui est Agué et un district en épidémie qui est Takita, et Keta, à la date du 22 avril. Mm. Et, le en fait, ce n'est pas éviter ça, c'est difficile, mais c'est de pouvoir surveiller et détecter la survenue. Hmm. C'est pourquoi le Niger de tout à et tous les pays d'ici ont fait ce qu'on appelle la surveillance cas par cas. Chaque semaine, chaque district envoie au niveau central, donc à Niamey, le nombre de cas de méningite qu'ils ont détectés. Hmm. Ce qui va permettre très vite de dire, ah, ici, il y a les cas qui augmentent. Est-ce qu'ils ne sont pas en seuil d'alerte Est-ce qu'ils ne sont pas en série d'épidémie hmm. Pour que, si tel est le cas, on puisse déjà déclencher la riposte vaccinale. Ce n'est pas éviter qu'un district survienne à faire face une euh, rentre en épidémie ou bien en alerte, mais c'est de pouvoir détecter ces districts-là et les prendre en charge. Et, quel, quel, quel, est le dispositif approprié pour faire face à la méningite afin d'éviter que, que l'épidémie se propage dans d'autres localités mais c'est essentiellement ce que je viens de dire c'est surtout d'abord la surveillance. Il faut pouvoir détecter chaque cas, chaque nouveau cas de méningite au Niger. Mm. Et c'est faisable parce que jusqu'au niveau CSI, même cas de santé, on est en mesure de dire ça c'est un cas de méningite mm. et donc pouvoir dire que ah, dans cette district, il y a tel nombre de cas, donc ils sont en alerte. Ou bien il y a tel nombre de cas, donc ils sont en épidémie. Et dans les deux cas, c'est immédiatement traiter ces cas-là qui sont déjà connus pour que d'autres personnes ne prennent pas et déclencher la, vaccination pour que les, ceux qui sont en bonne mm. santé ne soient pas malades. Mm. Et pour concernant le traitement, docteur, euh, pendant le traitement euh, de cette maladie, est-ce qu'il y a des, manières que les patients et leurs proches doivent suivre pour un bon traitement Est-ce qu'il y a des bonnes manières qu'ils doivent suivre Non, mais ce qui est sûr, s'il y a bonne manière ou bien euh, comportement adapté, c'est les agents de santé. Hmm. les agents de santé qui doivent reconnaître les cas de méningite et donner le, le traitement et la dose qu'il faut. Chaque personne a sa dose en fonction de son poids. Vous l'avez expliqué, c'est hmm. une maladie contagieuse. Donc, nécessairement, il doit y avoir un comportement adopté entre le patient et ses proches pour éviter la contagion. Ou tu, veux, tu <laughs> veux parler d'isolement ou quoi Bon, pas isolement. Même... La méningite, on ne on, on demande pas aux parents de, de ne pas toucher leur malade. Mhm. Non, on ne le demande pas. On ne demande pas aux parents de, de, de, mettre quelque chose, des bavettes ou bien. Non. Mhm. La méningite, ce qu'on demande quand on a une méningite à méningocoque dans un milieu, c'est de vacciner ceux qui sont en bonne santé. Mhm. Mais il n'y a pas de comportement particulier qu'on demande si ce n'est pas l'hygiène corporelle et la propriété des mains. Mm-hmm. Parce que je vous ai dit que tout malade qui a la méningite, qui touche, qui éternue, qui parle, peut éjecter des choses. Mm-hmm. Ça, c'est difficile de prévenir à quelqu'un. Mais je vous ai dit aussi que les parents proches peuvent se contaminer à travers les mains, à travers les habits. Mm-hmm. C'est là que la propriété, l'hygiène corporelle et l'hygiène des mains, surtout des mains, le lavage des mains est très important. On demande à tous ceux qui sont à côté d'un malade, qui aident un malade, de se laver avant de le toucher et une fois qu'il le touche, de se laver encore les mains. Mm, mm. Ça, c'est vraiment un acte très important qui permet de réduire significativement le, taux de contamination mm. par le méningocoque. Et ce que je le plus, le plus important à ajouter, c'est c'est peut-être par rapport aux, agents de santé. Mm-hmm. C'est surtout de ne pas traîner. Et quand on suspecte une méningite, on fait une ponction et on envoie les prélèvements. Il n'y a pas quelque chose de plus facile que de faire la ponction à un enfant ou bien à un adolescent de, jusqu'à 29-30 ans. Ce n'est pas difficile, ils le, savent tous. Et de reconnaître les situations, les cas graves les cas mhm. graves de méningite, vous n'avez pas posé la question. C'est surtout ce qu'on appelle les septicémies à méningocoque. Je mhm. vous ai dit que la méningite, en fait, les germes rentrent dans le liquide qui est entre les enveloppes qui, qui, qui, qui, protège le cerveau, qui couvre le cerveau. Il arrive que ces germes-là passent dans le sang. Donc il y a non seulement ça dans euh, dans les ménages et il y a ça aussi dans le sang. Qui dit dans le sang, ça veut dire que ça va envahir tout l'organisme. Ça, c'est une urgence. Et ça se manifeste par des petits boutons ou bien des taches rouges ou bien des plaies qui apparaissent sur le corps de l'enfant ou bien de l'adolescent. Ça, quand tu vois ça sur un malade, mhm. c'est une urgence médicale. Mhm ce cas-là, il est même autorisé à n'importe quel agent de santé de ne pas perdre le temps pour aller faire la ponction. On commence directement le traitement. Hmm. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, par rapport aux, parents, celui qui, qui s'est fait vacciner, vous avez, vous avez posé la question, hmm. celui qui s'est fait vacciner il y a moins de trois ans. Je suis sûr que la son enfant a été vacciné. Même si on dit qu'il y a des cas de méningite, ça ne sert à rien de se précipiter, d'aller, euh, euh, comment dirais-je, embêter les autorités sanitaires. Quand on est vacciné, on est couvert pendant trois ans. Trois ans. Ça, c'est c'est clair. Mm. Quand un agent de santé constate que quelqu'un a ce qu'on appelle une méningococcémie, ça veut dire que le germe, en plus d'être dans l'enveloppe euh, ménagée, se trouve dans le sang. Il mm. doit faire, il doit prendre la personne en charge le plus vite que possible. Même à domicile, tu commences le traitement avant de l'amener à l'hôpital. Mm. Et c'est des cas à hospitaliser. Ce pas des cas qu'il faut laisser avec la famille. Mm. Ça, c'est surtout par rapport aux agents de santé. Mais pour les familles, ce qui est le plus important, qui est ces cas-là, ces boutons et autres, quand un malade a la fièvre, qu'il a des maux de tête et qu'il a du mal à euh, fléchir le cou, il ne faut pas tarder, il faut amener la personne dans le centre de santé le plus proche. Quel mot de fin pour finir Quel conseil à toute la population pour se protéger contre cette maladie Toute, euh, toute la population, c'est de se dire que la méningite, c'est vraiment une maladie grave et qu'on doit prendre ça en considération. Se protéger, c'est à deux niveaux. D'abord, éviter les coups de chaleur. Éviter de sortir avec la, poudre, la poussière et autres et surtout, se faire vacciner quand l'épidémie se déclenche. C'est le conseil que j'ai à donner. Merci, docteur. Euh, chers auditeurs et auditrices, la méningite, euh, comme euh, l'a expliqué le docteur, est une maladie très grave, mais qui peut bien être guérie. Et le seul conseil, c'est de se présenter dans les centres de santé pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Et c'est sur, ce, sur ces conseils que prend fin le forum. Ce soir, nous étions avec euh, docteur Hanchi Yahaya. Il est infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Nous avons débattu autour de la question de la méningite. Nous avons parlé de sa situation, de la situation ici au Niger. À la technique, euh, Chombiano Abdelkader, à la présentation, Nafisa Adamo Sirfo. À demain pour une autre thématique. Au revoir.